Hein. Voilà, truc et astuce. Truc et astuce à 9h13 minutes dans la matinale de Morning King avec Fatimo Ibintou Truc et astuce. Truc et astuce, comment réussir à attirer les clients dans son restaurant waaw lu nañu Fatim au fii ci Sénégal euh, restaurant yi dafa des lu bëri. Mhm. léegi boo bëggee monter li nga xam ne ne que mooy euh, nekk ci milieu restauration bi. Mhm. am na ay astuces yoo xam ne ne que boo ko defee rek macha allah di nga gis li nga xam ne ne que mooy amélioration wala. quelques résultats waaw quelques résultats. Mhm. parce que da ngay gis ku ñëw rek dugg ci milieu bi ba ci yàgg rek mu ne c'est devenu monotone wala client yi dematuñ fa. lan moo ko waral. truc et astuces yi nga xam ne ne que boo ko defee ci sa restaurant je pense bien que tu auras des clients clients pareil, di nga gis ne que aspect bi bi muy joxe par rapport aux autres clients euh, aux autres restaurants du mhm, moins mhm, mhm. benn bi mooy que formule yi nga xam ne ne que moom le restaurant yi di proposer pitié lundi maafe mercredi yaasa chaque jour c'est la même chose du lundi au dimanche alors que lolo mën nga ko am ce je veux dire. Mhm. Euh, Les différences, bi rek mooy ni koy servir et tout ça mais du lundi au vendredi du 1er janvier au 31 décembre tu proposes la même chose. je mhm. pense que ça n'a pas de sens. bon quelque part ça a un sens parce que euh, le Sénégalais aime son tchèp waaw mais euh, boo defee ceeb. Mhm. à côté nga revisiter yenen plat. je suis d'accord aujourd'hui tu proposes un plat sénégalais et à côté tu mets un plat européen ou je ne sais pas. voilà y ben documentaire Bon, ma seetaan fan yi musée, mhm. musée la dama un musée bi. Mhm. mais le dafa bëri. ay euh, Inde ñu fay a ah. Un Inde yu bëri c'est des végétariens. bien sûr un restaurant ou musée bi. D'aller revisiter seen plat. Ah. parce que pour ne pas perdre les clients. on va proposer des plats yo. xam ne que végétarien. effectivement xam nga ko xamné que nous mhm. euh, avons bëggoo lu nous mhm. nga proposé ko ben salade à côté. Mhm. dina né ah restaurant bi dé proposé won nañ ma salade pourquoi pas retourner ci restaurant Bob? bien sûr alors que fi malheureusement da ngay ñew ñu tégal premier plat et un deuxième plat ah, non non non non non. tu vois alors que diversité bi bokoy def par rapport ak sa place. ça attire li nga xamné moy clientèle effectivement Benen bi moy accès facile da yor sa auto bëgg ñëw ci restaurant do am foo gaare. ça te décourage da dem sa yoon c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai restaurant dafa war a nekk foo xam ne ne que da ngay ñëw rek ñu ne la gaareel fii nga gaare nga wàcc dugg. voilà avec un gardien à la porte. qui va vous guider on dit oui garé par ici. mais nga dem ba si ni ko Macky di waxee ñoo xëri xaj kenn xamul fan nga nekk. nga ñëw ñu naan ana restaurant Fatim o ñu naan la boo jàddee ga gauche nga jàdd tout droit di nga gis benn panneau bu nekk foofu. Uh-huh. ngay wër restaurant. effectivement les restaurants sont panneaux là ah pour montrer que c'est un restaurant il faut c'est ah. une obligation. ah oui ah oui mais am na ñu ci bëri malheureusement effectivement dañuy bañ fay patente bi wala kiiw restaurant ki yi nga xamné ne ne que moom la restaurant yi wara fay mm-hmm. on est obligé di wër te ñun yeggaguñu ci système bo xamné ne que restaurant yi nekk nañ fo euh, nekk nañ ci ben site bo xamné ne que bo tapé dina la wax fan la nekk on appelle les restaurants clando clandestin ah mais quand même wala nga tek ben poto bu ndaw sa a fourchette rek ko woné ne nekk restaurant nga eh mais ngay wër restaurant ah, Fatick c'est pas facile mm-hmm, mm-hmm. benen bi moy pour attirer sa clientèle picc. bàyyi leen di jël bintu mi nga xam ne ne que day taxawaalo amul lu mu def. <laughs> amul lu mu def xamul naka ni, ñuy accueillir nit xamul naka la des fois nga ñëw ci restaurant doo xam sax plat bi. Uh-huh. mais am nga envie ne ki la koy proposer c'est quoi pouchichi. voilà mu ne la c'est ça et ça. Euh, ça on le fait avec ça et uh-huh. avec ça. je vous uh-huh. le propose je l'ai déjà goûté avec le sourire. kooku da lay jox envie lekk. je suis totalement d'accord avec toi 1000 pour cent Bintou. mais da ngay ñëw non seulement tu es mal fagoté li nga mm-hmm. sol dara baaxu ci mm-hmm. parce que seetaan nga i tuuti Juliana et Bill benn série gis nga bi ñuy waaj a ubbi seen restaurant effectivement toog nañ ay mois jël mm-hmm. ay mannequin yuy défilé pour xool lan lañ le di solal soit noir et blanc wala ay costume et tout ça ça veut dire que c'est un travail bien sûr que c'est un travail mais dañuy ñëw jël ma jànguma tubaab bi xamuma def plat yi sax lan ci mhm. ma c'est pas évident. effectivement c'est pas évident même genre je suis très compliquée par rapport à plein de choses j'arrive dans un nouveau restaurant on m'a dit ouh ce, ce, restaurant là il est pas mal c'est à découvrir. je mhm. viens dans le restaurant. Mhm. bonjour euh, voilà bienvenue nanana merci votre table est là ok merci c'est gentil. alors je regarde la carte et puis je vois parce que j'aime beaucoup découvrir des plats que je ne connais pas. je suis une grande curieuse donc je regarde comme tu dis Poutou Pacha. Mhm. Hein, c'est écrit Puchupata. Je dit, ah tiens, euh, Puchupata, c'est quoi Ok, d'accord. Excusez-moi, mademoiselle ou monsieur, c'est quoi Puchupata C'est à base de quoi Ah oui, c'est là qu'on te dit, attendez, je vais aller demander, je reviens. Alors là, moi j'ai dit, mais il euh, y a un problème. Attends, je vais aller demander ce que tu as sur la carte alors que tu es serveuse ah, ah ou tu es serveur. Ah non, mais on est où là On est dans un restaurant ou euh? malheureusement l'eau la effectivement oui. Benen bi moins que le cadre à ambiance bi. J'ai oublié. Hmm. Et le tutoiement. Tu viens dans un restaurant, monsieur, je ne te connais pas. Ah. Madame ou mademoiselle, je ne vous connais pas. Bonjour, tu veux manger quoi Pourquoi tu me tutoies On ne se connaît pas. Mhm. Mais tu me vous vois tu ne tutoies pas le client, hmm. tu le vous vois. Le client, vous vous connaissez pas, vous n'avez pas dormi ensemble, c'est pas ta potesse. Hé, eh, pourquoi tu tutoies le client avec le chewing-gum mhm. Tu vas manger quoi Oh là là, moi, je prends mes affaires, je dis excusez-moi, euh, déjà, vous ne me tutoyez pas, vous voyez-moi, parce que moi, je vous, vous vois, mhm. et puis au revoir. Parce que là, je, le chewing-gum, le chewing, ça c'est un problème aussi, le chewing-gum par rapport à beaucoup de services. Mais on ne mâche pas devant une personne alors que vous proposez un service. Mhm. Ça ne se fait pas. C'est ce qu'on appelle un manque de savoir-vivre. Ou le cure-dent. Ou le cure-dent dans la bouche. Non mais oh, tu n'es pas dans ton salon, tu n'es pas chez toi. Ah. moom la ñuy def seen gaming. oh là là mais il faut arrêter arrêtez-moi ce massacre là. Ben bi mooy. ou bien euh, tu mets pas de déo tu es ah. là. ah, ah Daouda tu vois ça ça ça ça lève la main alors là euh, c'est euh, voilà tu tu xam dans hmm. xanaa xam nga. Hein, hmm. hein, xanaa xam nga ci ci instant ah non mais le déo. bu ou bien la perruque qui sent mauvais. te lu tax dañuy dugg ci biir euh, euh, salle de préparation. Hmm. togg bi génn fi nga xam ne nekk mooy salle de service bi foofu nga xam ne xet bi dafa foor et ah. tout ça buñ la rombee rek. Sécurité. Ah oui, bah, sécurité, des trucs qui s'est Tout ça, ça fait partie de la bienséance, du savoir-vivre, et qui fera que, euh, voilà, euh, beaucoup de clients vont fuir. Mhm. Et même dans la présentation du plat, mhm. c'est-à-dire, il faut pas qu'on voit que la sauce dépasse. C'est-à-dire, c'est n'est ah pas oui. du douillek bol. Et même du bol, c'est que, mhm. ramge, djel ah morceau bi, poko, font pour robori et tout ça, pour que Daraboumou dépasse. Mais pareil dans un restaurant. On vient, on te donne la, la, la décoration. Il faut que ça donne envie aussi de manger. Quand on te dépose un plat, maintenant, tu es en train d'essayer de, voir où se trouve la viande, mhm. euh, où se trouve euh, la salade. S'il vous plaît, des salades aussi, les salades fraîches. Mhm. Mais salade, bon, maintenant, on dirait que da faut ko fóot ba pare rek. ah non mais attends euh, sécurité pour euh, hein? nos ventres. Euh, nos ventres et puis le visuel le ah. visuel c'est très important. waaw parce que euh, ñam bi dina nakari mais boo xoolee taaj bi rek at niñ ko décorer niñ ko rek. Mhm. ça te donne envie de manger boo lekkee neexul tu sauras que qui tegal na la sax au moins loo xam que c'est c'est visuellement mhm. mangeable. Mhm, waaw. benen bi mooy cadre bi ak ambiance. des fois nga dugg resto mu mel ni cimetière nga dem. <laughs> Eh, c'est vrai, la déco, certains restos. Soit elle est trop chargée, les tables sont écorchées, les chaises, mais on dirait que. fleur yu gande, gande, gande, poussière tilim. tilim table yi les ñu jëlal euh, kii nu mu 1000 mm-hmm. francs 1000 francs les ñuy jël si li nga li ngay pomme bienvenue. Mm-hmm. <laughs> les nappes de table qui sont pas propres. Non. 15 millions de clients sont passés au lieu d'enlever la nappe de la de, de changer la nappe parce que forcément ils ont eu à laisser des, des, des tâches mhm. parce qu'il y a la mayonnaise qui est tombée ou saa si ngay oh. ñëw toog sauce. Il si lañ koy bëgg di fomp ci man amna ben resto bu dem ma automatiquement amon nañu togon ci table bi mhm. mais mi ngi fomp table je sais que hygiéniquement set nañ et tout mhm, mais xeetu eau de javel bi mon fort ça ça me donnait pas envie après ma lekk c'est clair tu as l'impression que même quand le plat vient que tu manges de l'eau de javel javel bah oui parce que ça ça te ça te voilà ça

Oui, ah, mais c'est vrai. Et en plus, quand tu vois, parfois, tu, regardes la fourchette. Mais la, la fourchette, 11 heures moins le cas. C'est-à-dire que les, les dents de la fourchette. <laughs> sont là, ah, féroce. <laughs> Ça veut t'agresser, la fourchette veut t'agresser. non, tes fourchettes, des fois, pour le au table, sans mouchoir. Sans mouchoir. Effectivement, il y a beaucoup de poussière. On est dans un pays où il y a beaucoup de poussière qui viennent de la Mauritanie, etc. Il y a des, des vents de poussière qui arrivent mhm. de partout. Donc, s'il vous plaît, sécurité. Pour... Parce que D'où le fait qu'il y a beaucoup de problèmes mhm. d'intoxication. Ah oui, ah oui cadre si c'est pas propre bah oui le cadre. cadre avec ambiance ambiance bi bokk na ci. Mhm, mhm, mhm. Euh, li may gëna reprocher resto soy moy que da ngay nek di añ. en même temps yaa ngi dégg bol ya ca yenen waa mais c'est vrai mais à côté une musique bunda ou je sais pas un pianiste. Ben oui, je ne sais pas Bon, pianiste ça va être compliqué hein, parce que là c'est beaucoup d'argent mais au moins prends euh, ton voilà une petite radio CD voilà euh, mets de la musique une sélection musicale si vraiment c'est un restaurant très sénégalais tu mets du Youssou du c'est pas du Mbalax non non parce que éventuellement les chanteurs ont eu à chanter des chansons douces euh, mm-hmm. voilà le Mbalakh doux là tu le mets mm-hmm. tranquillement du Super Diamono etc., euh, etc. Tu es là avec ton chef, ton yasta, ton mafé, tout est propre, ça sent bon, la déco, elle est jolie, elle n'est pas surchargée. Hein, je sais que vous si vous avez les moyens juste de fleurs en plastique, il n'y a pas de souci, mais prenez des fleurs en plastique. pour maintenir ça fait réel ah, aussi. Mais des fleurs en plastique, pour maintenir on ne nettoie pas. Mm, mm. La poussière, c'est noir, c'est crasseux. li nga que sa décoration formation mm-hmm. yeeg nga taf ko ci restaurant bi oui oui pitié bien rek doy na xaw qualification ben rek doy mhm. mais lepp nga bëgg ko aj ci biir restaurant bi pour lan ban et si vous avez des problèmes avec des mouches truc et astuce vous prenez euh, euh de, de l'huile essentielle de citron mhm. vous, vous ouvrez juste l'huile l'huile forte hein, de citron vous ouvrez vous mettez sur la table et vous allez voir, les mouches ne vont pas venir. Ou bien de petites bougies que vous mhm. allumez, mhm. d'accord, sur la table. Si on vous demande, oui, c'est pourquoi, c'est pour les mouches, pour dégager les mouches, pour que les mouches ne s'approchent pas de vos plats. Mhm. Il y a toujours des petits trucs à faire. Hein, c'est vrai que parfois ce n'est pas évident par rapport à l'environnement où on est, mais euh, voilà, il mais ça attire la personne. Ben après dina tax ne que fii amul weñ ma delluwaat fa. voilà Benen bi moy que goût et qualité des services manam produits frais. ñu koy hmm. gëna utiliser ak hygiène bi. oui. am na resto yoo ne. faut pas rentrer dans la cuisine. le congélateur bi ci bopam sax. Oh non. les cafards qui te disent salut bienvenue musoo gis fii Sénégal. Mhm. resto nga ñëw mu ne la kaay ma dugal la si biir. Mhm. fi nga xam ne ne que moom nañuy toggee et tout ça juste pour ñamal la benn euh, produit. wala ne mhm. la xolal ñi nga xam ne ne que moom nañuy liggéeyee. parce que sincèrement est-ce que am na hygiène si li ñuy def mais je dis que yenn yi. parce que am na ñu baax. am na ñoo xam ne ne que ils sont bien. mais majorité bi franchement jamais et même ça ça dérange le client le client ne doit pas entendre ce que tu fais en cuisine ne mm. doit pas entendre que tu es en train de te disputer avec le cuisinier mm-hmm. ou bien la serveuse mm-hmm. il y a beaucoup dans les restaurants aussi tu vois que ça se dispute ça se dispute devant le client mm-hmm. wow il faut rester pro mm. si vous devez régler vos comptes vous les réglez à l'extérieur bien à mhm. l'intérieur de la cuisine qu'on vous entende pas bati bu mu kaw ah ouais tu sais nga ñëw ci table Bintou at Fatim y est servi, mhm. Bintou peut-être génn na touti un moment mhm. mais yow pour bannir rek euh, suñu service wala suñu réputation ah ñu né man euh, je demande l'addition Bintou mo serviront et tout ça n'est fi nga ñëw mais en attendant nga que ko Bintu mi ngi ñëw euh, dafa ban table le numéro tu fais semblant je sais pas que normalement ils sont censés connaître la table. Ah, le numéro de la. table effectivement ah, comme que table 15 oui Bintou Moko ko gérer elle arrive dafa que ci table bini. vous avez bien mangé le temps que vous avez c'est vrai en attendant Bintou d'union. mais voilà, Fanan lay de la seetaan. de la seetaan parce que la table mm-hmm, mm-hmm. je suis d'accord l'addition l'addition et, aussi puisque euh, les desserts pommes bananes nanana mais qu'il y ait un monsieur qui est en train de faire du ataya à côté et gratuitement qui dit ok puisque merci. vous attendez. mooy point bu mujj service complémentaire. merci wifi. Mhm. gis nga nek nit yi léegi dañuy soxla di liggéey réaction. Mhm. action réaction comme tu dis. mais nga installé wifi. Mhm. nga installé li nga xamné nek moy ataya wala nga am partenariat at ñi nga xamné ne dañuy def café. ku ci ñëw mu jënd je ne sais pas, tu essaies de trouver des astuces que ça retient le client. Oui. Mais malheureusement, à chaque fois, les que restaurant ou ou ou ou nous ben de la tête aux pieds. Oui, et problème hygiène. Vous savez, quand il commence à faire chaud. Mhm. Euh, c'est pourquoi beaucoup de gens privilégient les grillades quand il fait chaud. Mhm. Parce que quand euh, tu es dans les histoires de sauce, de ceci, cela, une intoxication mhm. facilement. Le poisson n'est pas frais. Les fruits de mer, c'est pas frais. Parce qu'un d'eux, des Mm Parce que tu l'as laissé à l'air trop libre rapidement et tout ça. Tu as eu une, minute, deux heures d'inattention. <laughs> Le poisson, il, te, il est mort. Hein. il ah est là. Hein. Mais il est mort, mais il te regarde. Il te dit, mais je suis en train de pourrir là. <laughs> et tu vas pas me donner au client, comme j'espère. Ah. Il y a, y a un problème aussi par rapport à, ouais. à l'hygiène. Wala ñu tal wala tàngaay bi da ngay gis ñu tal ventilateur un mhm. ventilateur yi bu ci nek mi ngi am lënd ba fess del ngay lekk. buy tourner lënd yi di wad c'est ça. qui qui qui on n'huile pas aussi. <laughs> <laughs> les ventilos. mais nga wut ventilo mais normalement a un euh, service qui pour pour race et tout ça normalement. am na ay boy, il y a qui les toilettes oh les toilettes des restaurants. Euh. les toilettes des restaurants. les toilettes. ah non non non non non non non man gis naa toilette restaurant boo xam ne nekk dañ koy nettoyer dañu am service sax mm-hmm. boo xam ne nekk mooy partenariat moo koy respect moo koy nettoyer tous les 30 minutes et tout ça mm-hmm. mais quand même foofu sénégalais la set lu nekk ñoo salte ah. jigéen yi dañuy ñàkk set dugg changé wu ba pare teg seen coton hygiénique yi ci kaw noonu quoi noonu duñ ko dugal ci mbuus sànni ko noonu nañ ko fee bàyyi dem seen yoon

et les papiers hygiéniques qui sont là. Parce que c'est clair qu'il y a certains restos, il y a ça, là, mhm. et tu rajoutes le papier hygiénique. Wow. Si tu as tes règles, ok, d'accord, c'est venu, nanana, ou bien là, c'est l'heure de changer, tu prends le papier hygiénique, nanana, tu changes. C'est-à-dire que même avant d'aller dans les toilettes, mhm. tu demandes est-ce qu'il y a des papiers dans les toilettes tu demandes s'il n'y a mhm. pas de papier est-ce que vous avez des Kleenex. Mhm. Madame, nous ñu réflexes sur am réflexe les Kleenex des demee vous fa faire da ngay avez yu bëri parce que nous avons ay restaurants qui ont que c'est des insuffisances rénales. effectivement. donc du coup. booy dem dangay ngay yóbbaale sa mouchoir <laughs> gis nga li ñuy wax rek gis nga manque d'organisation. da ngay mm-hmm. organiser woo. Eh, booy dem guerre da ngay yor arme yëpp. Ah, nga yóbbaale sa mouchoir. boo fa mm-hmm. fekkul xay boo ko fa fekkee xayru boo ko fa fekkul nga utiliser sa mm-hmm. mouchoir. mais comme ni ñuy wax sénégalais dañuy rombu poubelle bi tek ko ci kaw wala xalé jigéen yi dañuy wu seen greffage bi nekk ci lavabo bi ñu bay ko nonu tayal nañ sax dindi ko at mouchoir non mais quand même sécurité. c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu rentres quelque part tu vois des cheveux qui traînent de gauche à droite dans le lavabo euh, voilà. la chaise da ngay jaay propre propre que jëlal mouchoir bi nga dindi sa karaw yi nga fa bay nga sànni ko ci mbalit bi effectivement et, et les garçons aussi hein on lève la cuvette hein messieurs dañuy on va pare affaire bi nekk ci ah ouais tu vois les traces jaunes là. yo monsieur. Et il faut se laver les mains juste après avoir d'être sorti des toilettes aussi. Mm, mm, mm, il faut non, Daniel, Non, rek. génn chou, ciw dem. génn c'est dommage, hein, c'est ah, dommage. Ouais. Parce ah. il faut le dire, il faut le dire, hein, il faut le dire, il faut ah, que ouais. voilà. Oui, da ngay dem ci milieu yu bari, mhm. mbolo bu bari, malheureusement yoy rek nga fay fek. Mm. Jigéen yi seen greffage wala li nga xam nek moy sen serviette hygiénique mm. wala ñi and ak seeni doom sànni fa lepp lo xam nek moy xalé bi mom la utiliser góor dañuy saw ba paré bàyyi ko noonu duñu xëcc chasse. duñ raxasu. et je ne comprends pas aussi des restaurants où il y a pas d'eau dans les toilettes. amna je ne comprends pas. Ben, tu as fait des toilettes. Ok, d'accord. Je pense que le must dans les toilettes, c'est l'eau. Il n'y a pas d'eau dans le robinet. Mm, mm. Euh, le satala, dans la mesure où il y a plusieurs clients qui passent, il n'y a pas de dans le satala. Euh, Imaginez euh, une personne qui a la diarrhée, excusez-moi du terme, mm-hmm. qui, a mal au ventre, il va aux toilettes. Ok. Il finit, il fait ses besoins, et eh ben il n'a pas d'eau. Il fait comment mm. Vous pensez que le restaurant c'est juste pour faire pipi, mais il y en a qui qui font la grosse commission comme les Français disent, la grosse commission parce que voilà c'est c'est. Voilà, voilà. Donc du coup, tu es là. Et, son Ndor Amoul. Ah ouais maanaam ndox amul yemal ci li nga war a yem sóoraale ndox bi pour ñeneen mais le Sénégal ba Sénégal day dem Sénégal rek day dem. Euh, qui qui a de fait mes femmes qui viennent m'envoyer un SMS et qui dit euh, <laughs> Fatim dama xam dès que t'as as parlé de toilettes c'est des assassins <laughs> tu arrêtes ta respiration jusqu'à <laughs> Merci Kia, merci. Allez, 9h33 minutes, euh, récapitulatif. Vraiment euh, des trucs et astuces et puis on passe à la pub et puis on revient en musique et puis on revient avec l'horoscope et la cuisine du jour. Ah Allez, pour les restaurants, oui. il faut gagner une formule proposée par rapport à cette oh. diversité plat. Mm-hmm. Accès facile, mm-hmm. euh, l'accueil et l'amabilité du personnel cadre mhm. ambiance et déco mhm. euh, goût et euh, qualité des services mhm. produits frais et li nga moi hygiène service complémentaire technologie bi avancé wifi et tout ça moo un truc et astuce au merci beaucoup merci beaucoup pour truc et astuce je me suis fendu la poire euh, ainsi que les internautes et les auditeurs j'en suis sûre 9h34 minutes la pub on revient après avec du Serge Benoît juste après la pub et du tout fan. Et puis l'horoscope du jour et la cuisine à table.